le rendez-vous des nouvelles technologies. Kinti. Alors, euh, fais-nous entrer dans, dans, cette, euh, dans, cet univers magnifique. Ouais, voilà. Alors, déjà, quand on parle de beatmaker, euh, c'est pas beatmaker. En général, c'est des gens qui font des études. Voilà. En ah, ça peut C'est des gens qui apprennent euh, fort, hein? Dank rek dank rek <laughs> dank rek. Ah, <laughs> beatmaker c'est un compositeur. c'est des compositeurs de son. Ah. qui, nga des bits, beats différents bits pour composer une musique. alors ça peut aller de différentes sonorités ça peut aller de la création ça peut aller de logiciels. en fait c'est des logiciels qu'ils utilisent logiciel ils ont plusieurs beats yoo xamante ne mën na leen permettre ñu mën a composer benn son alors être un beatmaker nag du da ngay tëb tëb rek nekk beatmaker mhm. en général c'est des gens yoo xamante ne ils ont appris dañoo jàng def formation supérieure en ingénierie de son ah c'est des ingénieurs de son à la base yi nga xamante ne dañuy xam déjà son fan lay jóge fu muy teeree fu muy commencé ak fu muy jeexee mhm. dañuy xam en général dañuy nekk ay techniciens ce sont des techniciens des gens qui sont calés dans dans, dans le cadre informatique dañuy ay ci informatique aay ci ci son ñooñu ñooy nekk ay beatmaker du da ngay tëb tëb nii rek nekk beatmaker c'est une spécialisation. Mm-hmm. il faut que nit ñi comprendre ko. donc que kon juste pour dire que ñu ngi euh, féliciter bu baax beatmaker yu mag yi nekk Sénégal ci seen liggéey bi ñu def c'est pas facile du tout parce que c'est des gens qui sont obligés de créer de créer de de de il faut d'abord connaître les sons sorti son yi maanaam décibel bi nga xam te ne moom moo bas son bi nga xam te ne moo war a dugg euh, xaw ma synchronisation nan lañ koy defee bon y' a plein de paramètres mixage nan lañ koy defee calibrage yeeg yooyu y' a plein de de de de de de paramètres yo xamantene ñom dañ koy jang mo leen di permettre ñu mëna utiliser sen xam-xam bobu non pour mëna créer ben son. musique bu neex. voilà donc ce qui veut dire que c'est un accompagnement bo xamantene ñom dañ koy def euh, dû à des instruments parfois un beatmaker bo xamantene il se limite juste à des tonalités. pour mëna a créer ben amna na ñoo xamante dañuy utiliser ay instruments. Mhm. des instru des instruments réels. comme par exemple une guitare un piano euh, tam-tam teug moy tabala yeeg wala kii yi nonk nonk nonki, yi. Je, passe un bonjour à Tala, à Freestyle, euh, à Carlo D aussi. euh, et à Mas, Mas. Voilà, bof, bien sûr, évidemment. Voilà, Mas qui est un beatmaker aussi. Voilà, il y en a qui sont confirmés, il y en a qui ne sont pas confirmés. Il y a des beatmakers qui sont très confirmés, comme par exemple quand je parle de Papis Konate, Tout le monde sait que c'est un beatmaker qui est confirmé. Alors, il y en a d'autres, Blue Five aussi, on le voit de par sa musique, c'est lui-même qui compose sa musique, ah c'est lui-même qui chante sa musique. Voilà, il est compositeur et en même temps, voilà, il y a le groupe Mavo avec Enfo oh. aussi qui est beatmaker. Mmh voilà, il y a plein de beatmakers au Sénégal. Alors, ce qui les différencie maintenant, les beatmakers, c'est leur touche. Chacun avec sa touche personnelle. Ah, Madame, chacun avec sa créativité, chacun avec sa sensibilité musicale. C'est indi différence différent. On de musique musique bi avant on parlait pas d'afrobeat Aujourd'hui, on parle d'afrobeat parce que tout simplement, les Nigériens ont cherché à innover dans la musique, à rajouter des sonorités, à rajouter des, des samples yoo dafa catégorie afrobeat qui marche à coup de milliards de dollars. voilà euh, ah. c'est un afro acoustique afro c'est un mélange de styles ay mélange de style dañuy jël style rajouter style bi xool ndax mën na alors buñ ko xoolee boole ils se rendent compte que voilà ça donne ça et, c'est sur ça que les chanteurs euh, maanaam woykat yi di teg voix pour que mu a musique et la musique a toujours de plus en plus besoin d'exotisme de folklore justement c'est pour ça que États-Unis dañuy ñëw jël ay sonorités africaines merci beaucoup japonais la même chose ainsi de suite alors quand tu regardes Shidima qui a sorti récemment un nouveau un nouveau son dans le son tu entends Tamayi ce qui veut dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui on est à un niveau où toutes les sonorités du monde entier se retrouvent dans une musique pourquoi pour pouvoir embellir cette musique là plusieurs identités plusieurs cultures d'innovation avant on parlait de coupé décalé Aujourd'hui, on parle d'afrobeat. Tu l'entends dans le son de euh, Baby Philippe qui se, qui se plaint, qui dit que le coupé décalé a fait, a fait danser toute l'Afrique. Mm-hmm. Alors, ça ne veut pas dire que le coupé décalé est mort, mais le coupé décalé a eu une nouvelle sonorité qui est venue le rejoindre aujourd'hui, qui est l'afrobeat. Avant, on parlait de coupé décalé, aujourd'hui, on parle d'afrobeat. Ça n'a pas tué le coupé décalé, mais quand même, l'afrobeat a pris le dessus. Les Nigériens ont pris le coupé décalé et l'ont rendu encore plus, plus, plus audible et plus euh, commercial. International surtout, tout en sachant que, voilà, après, euh, c'est une musique nigérienne à la base. Mhm. tout le monde connaît le Nigeria avec la, la, la, vie internationale. voilà. Mais dem nañ a musique bobu américains à ce que tu retrouves ces sonorités là dans leur musique. mieux xam nañ quand on parle de beatmaker, ce sont les américains les meilleurs en beatmaker euh anglais. Voilà, quand tu retrouves euh, euh, comment il s'appelle encore un docteur euh, comment il s'appelle Dr. Dre Oui, Dr. Dre qui est un, grand big maker euh, un de... Puff Daddy euh, le mari de ils sont en de de... Jay-Z le mari de ouais Jay-Z on parle aussi de Jay-Z qui a fait l'album de Rihanna et de Beyoncé mm-hmm. qui ont été les deux albums à un moment donné qui étaient en concurrence tellement que voilà moi et quand tu parles du mari de Alicia Keys euh, Sweet Beats qui est l'un des plus grands big makers aux, aux États-Unis voilà donc ils vont jusqu'à prendre cette sonorité africaine là di ko rajouter cette musique moi, lay one ni que musique bi amul frontière. la bande frontière la bande originale du film Le Roi Lion. voilà <laughs> Beyoncé. tu vois donc Baba ça Mal. voilà ça veut dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui euh, Baba Mal qui va être aujourd'hui euh, la <laughs> originale d'un film d'un très grand film international. ça veut dire que la musique n'a pas de frontières. alors loolu yëpp li koy indi mooy sonorité yoy non nga xam te la retrouver ci musique bi. Mhm. sonorité yoy non nga xam te ne le beatmaker bi di créer ci par originalité ci par euh, euh, créativité Type euh, par logiciel utilisé. attention aussi il y a des logiciels yi ne ils sont faits pour ça logiciel non noonu moom la utiliser donc beatmaker bu nekk ak logiciel bi muy utiliser beatmaker bu nekk ak euh, liguey bi nga xamne mom lay def derrière moy waral tay bo ñuy mëna def différence son bi beatmaker bi moko défar, son bi. R&B dance techno house afrobeat ainsi de suite. voilà justement c'est hyper intéressant. donc c'est c'est vraiment un monde très large bo xam te ne bu ñu ci doon waxtaan fii ba suba ci parce que le monde des beatmakers je pense même qu'on aura l'occasion d'un jour d'inviter un beatmaker qui vient nous dire exactement comment ils travaillent comment il s'inspire pour faire de la musique voilà quest quest quelle est le la touche qui lui permet de pouvoir euh, quels sont les sons qu'il a eu à faire pour que ça nous permette aussi d'avoir des preuves sur tout ça mhm. je pense que Coco Jean avait invité un beatmaker il n'y a pas longtemps il est artiste en même temps beatmaker Vous invité jour genre je pense que ce serait bien pour que Nini Coco est beatmaker voilà oui par exemple voilà il a composé des chansons pour des sociétés privées justement voilà hein. jingle yi hein. ak affaire Non, non. voilà c'est un peu un peu ce monde là qui un très beau monde parce que ça nous fait danser, ça nous fait vibrer. Absolument. Et on dit que la, musique adoucit les mœurs. Voilà. Et rend le, cœur jovial et mignon. <laughs>